le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou 18h passé de 15 minutes, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du forum du Studio Kalangou. Studio Kalangu que vous écoutez grâce au réseau des radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux de région du Niger. C'est également pareil dans les localités d'Arlit, de Tirozérine, de Menesoroa, de Magaria, Tamaské, Bouza, Filengue, Birningaure, Dolbel et Saï. Le forum de ce soir est consacré exclusivement à la problématique de la qualité de l'enseignement de base au Niger. Quelles sont les raisons fondamentales de la baisse de la qualité de l'enseignement et au-delà la baisse du niveau des élèves du primaire Quelles sont les pistes de solutions à court, moyen et long terme qu'il faut mettre en œuvre L'évaluation des enseignants, est-ce la meilleure solution Comment s'y prendre Ce sont les grandes questions auxquelles nos invités vont tenter de répondre tout au long de ce forum. Nous avons comme invité Ashana Hima, directeur des ressources humaines au ministère de l'Éducation primaire et de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique que nous attendons d'un moment à l'autre. Taher Sabra, secrétaire général adjoint du bureau exécutif national du syndicat national des enseignants du Niger, Ben Senen, que nous attendons également et Weslaman Nasratam, secrétaire général de l'Association des parents d'élèves qui est là avec nous. Bonsoir Weslaman. Bonsoir. Et merci d'être venu. Merci. Al-Mustafa Moussa, qui est représentant de l'Association des ONG et syndicats pour de l'éducation pour tous. Bonsoir Al-Mustafa. Bonsoir. Et merci à tous d'avoir honoré notre invitation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous débattrons de la problématique de la qualité de l'enseignement primaire, l'enseignement de base 1. Parmi les élèves qui arrivent à achever le cycle primaire, très peu d'entre eux arrivent à pouvoir bien lire, écrire et maîtriser les calculs. Une situation alarmante qui interpelle plus d'un. Le contexte de l'éducation est marqué, est marqué, entre autres, vous le savez, par des grèves d'enseignants dans la plupart des cas. Alors, euh, rapidement, nous allons planter les décors avec vous. Je vais commencer avec Weslaman Nasratam, qui est secrétaire général de l'Association des parents d'élèves du Niger. Alors, cette baisse de la qualité de l'enseignement et du niveau des élèves, est-ce un mythe euh, ou une réalité Bien. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me rapporter un correctif. Je suis le vice-président, pas le secrétaire général. Mhm. Euh, deuxième chose, nous vous remercions de l'occasion que vous nous offrez chaque fois que vous l'avez pour apporter le peu que nous avons dans la contribution de l'amélioration des conditions de vie de nos enfants par rapport à leur euh, cursus scolaire. Ceci étant, revenant à votre question, aujourd'hui, quel que soit le genre de verre que vous portez, même si c'est en bois, vous reconnaissez que l'éducation au Niger est en souffrance. Et la souffrance, elle est généralisée à tous les niveaux, que ce soit du côté de l'exécutif, je veux dire de l'État, que ce soit au niveau des acteurs qui sont les enseignants et les élèves eux-mêmes. La souffrance, elle est là, elle est généralisée, elle est palpable, elle est touchable. Et cela euh, va euh, directement me dire que ce n'est pas un mythe, parce que le mythe, un peu psychique, ça c'est vraiment une réalité, elle est là. Alors, euh, vous avez fait des constats. Selon vous, quelles sont les principales raisons qui ont conduit euh, à cette baisse Les raisons, elles sont connues de tous. Elles sont connues de tous, euh, elles sont à tous les niveaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous ne considérons plus l'éducation. Dans son ensemble, le Niger, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des acteurs, nous avons un mal à corriger nos pas par rapport euh, au, bon fonctionnement du cursus scolaire de nos enfants. Je veux dire par là que les moyens, même les moyens prévus dans le, le budget voté à l'Assemblée nationale, ne sont pas dégagés à 100% pour que cela soit une réalité. Ensuite, il y a une démission des parents en tant que tels parents d'élèves qui ne suivent plus les enfants nous n'avons plus notre devise temps où on dit concertation, participation et développement, où l'enfant est suivi et par le parent, et par le maître, et par l'État. Là, vous faites votre propre mea culpa. Il y a de quoi. Si je ne me regarde pas dans la glace, je ne pourrais pas parler de l'autre. Euh, euh, qu'est-ce que vous faites euh, pour, justement juguler ces, problème, problèmes Vous, en tant que parent d'élève, puisque vous reconnaissez qu'il n'y a plus ce suivi d'antan temps des parents. Euh, de leurs enfants. Euh, nous demandons qu'il y ait des mesures d'accompagnement dans toutes les, situations. Si je parle de nous en tant que parents d'élèves, c'est parce que aujourd'hui, il faut reconnaître que quand même, nous avons beaucoup de parents qui sont allés à l'école. Compte tenu des conditions dans lesquelles l'enseignant tient la classe, il a besoin du soutien des parents au niveau de la maison. Je veux dire par quoi Je parle de, de là par euh, quand un enfant revient à la maison, le parent a le devoir de suivre le travail fait par son enfant la journée, lui répéter ou lui faire répéter par quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, euh, cet enfant, est, il est pris en otage par euh, les diversités socioculturelles. Je veux dire, par, il, y a des influences, il y a les médias, les télévisions, les, jeux de distraction. La téléphonie mobile qui arrive. Les jeux de distraction, la téléphonie mobile et autres. Il y a beaucoup d'impacts qui jouent sur l'enfant. Donc, si le parent n'encadre pas et ne protège pas son enfant, il y a de quoi qu'il manque euh, quelque chose pour pouvoir euh, finaliser la, journée qui a été entamée par l'enseignant. Alors, vous voulez dire en fait qu'il y a d'un côté, il y a ce manque de moyens conséquents pour, pour, pour, pour, mettre dans les conditions les enseignants qui sont chargés de donner la connaissance. Il y a le manque de suivi euh, des parents et même de leurs enfants, pas seulement à l'école, mais aussi. Même de l'État. Parce que là, je parle de nous. L'enseignant, un enseignant qui a un ventre vide, un enseignant qui sait que son enfant ne va pas se réveiller demain et qu'il ait le courage de lui donner les 100 francs de récréation, un enseignant qui, de par la documentation aussi, est en souffrance, parce que je le dis, aujourd'hui vous allez vous trouver dans des établissements où les enseignants n'ont pas de documentation, on demande aux parents de cotiser pour payer cette documentation. Donc, cet enseignant qui en manque de son salaire, qui a en manque de, bon fonctionnement de son foyer, qui a en manque de documentation, vous me permettez de dire qu'il ne pourra pas bien donner sa, leçon en classe. Al-Mustafa Moussa, vous êtes le représentant de l'association des ONG et syndicats qui militent euh, dans euh, l'organisation Éducation pour tous. Alors, euh, est-ce que vous partagez les points de vue de, de qui est parent d'élèves, notamment sur euh, cette question de suivi des parents, sur les questions de moyens mis en œuvre par euh, le gouvernement et tout d'abord, pour indexer cette problématique des de Avant de répondre à votre question, vous me permettez très sincèrement de vous remercier de l'honneur fait à, la, euh, ASOEPT, qui est euh, association des ONG et syndicats qui militent en faveur de l'éducation pour tous, pour participer à ce débat. Au-delà de vous remercier l'ensemble, en tout cas du personnel, les responsables euh, de ce studio, de tous les combats que vous menez avec nous pour promouvoir effectivement euh, une éducation publique euh, de, qualité. Mais avant aussi de répondre très sincèrement, euh, j'aimerais dire que la question en débat, la qualité de l'éducation, c'est au plan international que effectivement les gens ont fait le diagnostic et ils se sont rendus compte qu'effectivement, particulièrement en Afrique, et la qualité de l'éducation se pose avec euh, acuité. Vous me permettez tout juste euh, de, lire une. Euh, vous j'ai en face de moi un truc de la conférence. La conférence, c'est la conférence des ministres en charge de l'éducation dont notre pays est, membre. J'ai ce document-là. vous dites, voilà ce qu'ils disent. On dit au titre des multiples problèmes que se propose de résoudre la conférence des Jomsiens et le forum de Dakar en 2000 figure en bonne place la qualité de l'éducation. Cette question est complexe du fait que toutes les approches reconnaissent que la qualité dépasse les résultats scolaires et englobe des aspects de développement psychologique, les aptitudes et compétences, ça continue. Mieux. Qu'est-ce que c'est là Qu'est-ce que que vous voulez Donc euh, c'est pour dire que euh, c'était euh, un diagnostic que au, niveau des, des, des, conférences, la conférence des ministres en charge de l'éducation, c'est une réalité que aujourd'hui en Afrique, plus particulièrement au Niger, le problème de la qualité de l'éducation se pose avec acuité. ASSO est une association, une ONG qui est membre de la campagne mondiale de, de l'éducation. En même temps, elle a ses partenaires qui a les syndicats affiliés à l'international de l'éducation. L'international de l'éducation, c'est l'ensemble des syndicats affiliés à l'international, l'ensemble des syndicats du monde qui sont là-bas. Là aussi, le diagnostic a été démontré par l'ensemble des syndicats du monde que eh, la qualité de l'éducation aussi se pose avec plus précisément en Afrique. Donc ah, ah, c'est une réalité, le problème de la qualité. On est d'accord, c'est une réalité. Alors quelles sont les principales raisons indexé par, les ces recherches Les principales raisons, vous voyez, eh, on a imposé à nos États des politiques éducatives, notamment des, institutions telles que la Banque mondiale, le FMI et consorts. Et malheureusement, nous avons en face nos, nos hommes politiques qui, devant la rareté des ressources financières, ont préféré embrasser ce programme là pour effectivement, euh, chercher à comprendre effectivement, est-ce que ce programme-là, c'est important pour le secteur de l'éducation. On a vu dans ce pays-là le, le, programme Le Double Flux. Au moment où nous, en tant qu'enseignants, organisations, nous nous battrons pour qu'il n'y ait pas ce programme parce qu'on sait que c'est un crime contre l'éducation. C'est quoi ce programme, l'objectif de ce programme quoi euh, Où l'enseignant a deux enseignants, deux niveaux. Euh, l'enseignant, pour une question d'économie, on a vu le double fil. Vous enseignez une première catégorie d'enseignants, d'élèves du moins, et deux groupes, deux groupes, dans une seule, classe, avec des effectifs pléthoriques, avec euh, moins, moins de, rémunération. Mieux, on a vu le programme. C'était en quelle année ça C'était dans les années 90. Est-ce que vous voulez dire que le problème auquel on assiste aujourd'hui euh, découle de... Pire, ce programme a amené l'État à accepter ce qu'on appelait les, les éducateurs, les enseignants de type niveau. Où aujourd'hui, l'enseignant a été dévalorisé. On permettait à n'importe qui, excusez-moi de l'expression, de venir exercer le métier d'enseignant. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas être journaliste je ne peux pas. Mais on a permis à n'importe qui d'être enseignant. même le vendeur de. Même les vendeurs de, cacahuètes, les vendeurs de Tchétchéna, les vendeurs de tout, je sais de quoi je parle. Et nous sommes sortis, nous avons tout fait, on nous a pas Par quelle voie hein? Par les voies légaux et illégaux. On a utilisé toutes les voies. Malheureusement, on ne nous a pas écoutés. Et aujourd'hui. Non, par quelle voie on recruté ces gens Non, ces parce qu'il y a une affaire des parents, amis et connaissances c'est l'État une affaire. il y a eu une démission aussi eh, des parents d'élèves par rapport à. Donc, voilà entre autres des problèmes qui ont amené aujourd'hui à ce que l'enseignant, l'enseignement n'est plus exercé par eh, eh, ces professionnels-là du, du, métier. L'enseignement était exercé partout, c'est considéré comme un vulgaire métier, n'importe qui peut venir l'exercer. Et bonjour les dégâts. De 2000, euh, euh, Donc, les choses ont continué, les choses ont continué nous, en tant qu'organisation, nous n'avons cessé d'attirer l'attention de, l'État. Il faut arrêter la descente aux enfers. Malheureusement, les gens ne nous ont pas compris et aujourd'hui, nous sommes devant la réalité. Alors, une, question que je voudrais Est-ce que vous, pensez que la contractualisation qui a, intervenu récemment euh, fait partie des raisons J'allais arriver à ça. la contractualisation aussi, c'est pire. C'est pire même ce qu'on a connu. Parce que là, on a formalisé même ce que nous, on dénonçait ailleurs. On a permis aussi là-bas à n'importe qui aujourd'hui de venir exercer la contractualisation avec euh, des rémunérations euh, très faibles de tout ce que moi, en tant qu'enseignant, j'exerce le métier parce que je n'ai pas trouvé mieux ailleurs. Une fois que je trouve euh, un, métier assez reluisant, j'abandonne, je n'avise même pas mes supérieurs, et je vaque à cette obligation et les élèves, on les laisse chômer. On a continué à exercer les, les écoles et on a mis aussi l'accent sur l'accès tout en oubliant la qualité. À un moment, le Niger, on se glorifiait qu'on a tel nombre de pourcents de taux de. non, pas taux de réussite, taux d'admission, le taux brut de scolarisation. Le gouvernement a pris ça pour aller vendre, pour chercher de l'argent. Mais au moment où on développait eh, l'accès, l'accès, on a oublié la qualité. Donc, entre, il y a plusieurs raisons qui ont amené à la déliquescence de notre école publique. Et au-delà de ça aussi, le gouvernement a donné plus d'avantages aux écoles privées. Aux écoles privées. En quoi faisant Non, non, en permettant à des partenaires de venir créer l'école en marchandisant l'éducation. L'éducation, on ne peut pas la marchandiser. Et le gouvernement s'est inscrit dans ces logiques-là, de toute sorte qu'on a délaissé l'école publique, cette école-là qui nous a tout donné au détriment des, intérêts de quelques individus. Et voilà, entre autres, d'autres raisons, les raisons qui ont amené aujourd'hui la qualité de l'éducation à souffrir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés auxquelles on assiste aujourd'hui. Monsieur Wesleyman, euh, vous, voulez réagir par rapport à tout ce qu'il a dit ou ajouter euh, euh, En fait, vous partagez. vous savez, je l'ai dit, que n'importe quel Nigérien aujourd'hui sait ce quoi le problème de l'éducation. En parlant de l'enseignant, euh, comme euh, l'a souligné Moustapha, il faut reconnaître que l'État est responsable de tous les actes. Moi, c'est ce que j'ai dit toujours. Quelle que soit la situation, l'État est obligé d'accepter qu'il est responsable de la décadence du niveau, du niveau parce que quand il y a recrutement ou quand il y a des mesures structurelles à prendre, c'est toujours par le biais de l'État. On ne peut pas imposer à l'État, mais c'est l'État qui impose aux citoyens. Le recrutement de ces enseignants qui, amène, qui a amené cette décadence, ça a été décrié. les parents l'ont dit. Je Oui, allez-y. En principe, du moment où la structure de parents d'élèves, elle a été autorisée par l'État à exercer et accompagner l'État, même en principe, quand il y a recrutement d'enseignants, nous avons un droit de regard. Et l'État nous l'a dit. Je me rappelle dans les années 96-97 où on expérimentait euh, la, gestion des établissements scolaires à travers la structure COGES, il nous a été dit que nous avons un droit de regard dans le recrutement des enseignants. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça n'a jamais été le cas. On ne nous a jamais associés quand il s'agit de recruter un enseignant dans un établissement. On nous le parachute comme ça. Par contre, d'ailleurs, quand tu dis que tu contestes tel enseignant est mauvais ou mauvais, à 13 h quelqu'un va se pointer devant, euh, devant pour te dire que tu es obligé de les laisser. Sinon. Une menace, vous voulez ah, dire une menace? Mais, si, vous parlez, si vous parlez en tant qu'association, si vous parlez en tant qu'association, non en tant qu'individu, est-ce que c'est le cas si, On a parlé. Moi, j'ai fait partie des commissions euh, ici à Niamey d'orientation, mais elles ne sont plus parce que, euh, je me rappelle une fois, nous avons fait des orientations, euh, des affectations des enseignants, mais aussitôt, on n'a même pas fini d'afficher les, résultats. On revient, on nous dit non, il faut revenir sur cette décision. Celui-là, celle-là, c'est la femme de tel, celle-là, c'est la, la, petite sœur de tel. Vous voyez bien que on ne peut pas avancer avec ça. Oui, alors, est-ce que, est que, malgré tout ce que nous venons de dire, est-ce qu'il est trop tard Est-ce qu'on peut rattraper Si oui, quelles sont, quelles sont quand même les pistes de solutions qu'il faut envisager euh, Il n'est jamais trop tard pour euh, rattraper. Mais les solutions, elles doivent passer par le de conscience du peuple nigérien dans son ensemble. Sur le peuple nigérien dans son ensemble qui est hypocrite. Excusez-moi du terme. Pourquoi vous dites cela Je parle d'hypocrisie parce que il n'y a pas parmi nous celui qui n'a pas d'enfant à l'école. Mhm. Et quand tu sais que ta marmite elle est posée, il y a quelque chose là-dedans, tu t'en fous de la marmite du voisin. Je veux dire par là que quand tu sais que ton enfant va à l'école et il prend cours, tu ne vas pas te soucier de l'autre enfant du village euh, reculé. Mais concrètement, concrètement qu'est-ce que vous pensez être la solution pour, revenir à la normale L'État a dit qu'il met 25% du budget. Il n'a qu'à sortir les 25%. L'ensemble de cette somme-là, si l'État la sort et il la met à la disposition de l'éducation, tout sera résolu. Est-ce que vous pensez que le problème n'est que moi Vous n'avez ah, pas cité que le, un problème de moyens. C'est l'argent, c'est les moyens si on, met l'argent dans les, infrastructures scolaires, dans la documentation et le paiement des enseignants, tout va se poser. Vous avez parlé aussi du manque de suivi des. des C'est pourquoi je dis, quand, il y a les infrastructures, quand il y a les infrastructures, ça veut dire que 20 tables par classe, 40 ah, élèves pour un enseignant, l'enseignant sera à l'aise. Mais un enseignant qui se trouve aujourd'hui dans la situation, tout de suite, je viens de voir un incendie, trois classes sont privées. Ça veut dire que demain, on est obligé, si on veut que les enfants la suivent court, il faut, il faut, les remettre dans une autre classe. Et l'enseignant va se retrouver avec 80 élèves ou 60. Alors que quand on injecte les moyens, les dispositions sont là et l'enseignant sera très bien dans la classe, l'enfant aura les documents et le parent saura qu'il n'y a pas de grève et il va suivre l'enfant. Voilà ce que je, veux dire par moyen. Alors, M. al Moussa, représentant de la SOEPT, euh, que faire, euh, à, votre avis, euh, à court, moyen et long terme pour faire face euh, à cette situation de chute de la qualité de l'eau? Vous savez, il y, a des solutions à, à tout problème, sauf si les problèmes sont mal posés ou bien on ne veut pas les aborder en toute responsabilité. J'évoquais des raisons, j'ai omis aussi la politisation à outrance du système éducatif. De telle sorte qu'aujourd'hui, même le gardien d'école, si tu n'appartiens pas à un parti politique, tu ne peux pas être un gardien d'une école. Tout est politisé, sachant pertinemment que les années antérieures, pour être, je suis enseignant, je sais de quoi je parle, avant qu'on te nomme directeur d'école, en tout cas, sache que pendant deux ans, tu as été suivi, tu as été inspecté, tu as été encadré, on a vu tes compétences, avant euh, euh, de, te, nommer. Mais aujourd'hui, on a vu euh, des, gens qui ont plus de 5 ans, 10 ans, on vient, on prend tout juste un nouvellement recruté qui a son matricule, on fait de lui directeur d'école. Donc, de telle sorte que on a banalisé ce métier-là. Maintenant, nous, nous disons qu'il y a des solutions. Et au, vu des, des analyses qu'on a eu à faire, nous sommes dit que pour qu'il y ait une éducation de qualité, d'abord, il faut qu'il y ait des enseignants de qualité. Ça veut dire quoi Enseignants de qualité. Il faut que ce métier soit exercé par des professionnels, qu'on arrête la déprofessionnalisation du métier d'enseignant. Et c'est ce qui a amené les syndicats d'enseignants qui sont membres de ASSO EPT. Vous avez vu, ils ont posé une revendication pour qu'il y ait de la motivation pour les enseignants, ils ont demandé à ce qu'il y ait indemnité de craie. Uniquement pour les enseignants, craie à main. Mais est-ce que donner une indemnité de craie peut, non, le niveau, la tu sais, Tu sais, l'injustice, c'était quoi De toute sorte que moi qui suis enseignant, sur le terrain, euh, lui, le vice-président de parents d'élèves en tant qu'enseignant, qui pour des raisons autres, là, il est venu au bureau, il touchait plus que moi. Ça, on a estimé que c'était une injustice. Donc, il faut motiver les, enseignants. Il faut arrêter la déprofessionnalisation du métier. Nous avons dit aussi qu'il faut des outils de qualité. Qu'est-ce qu'on entend par outils de qualité Les matériels didactiques, les livres, tout ce qui concourt et qui permettent à l'enseignant de dispenser le cours. Il faut que ça soit disponible. C'est la manque que vous voulez Malheureusement, je suis. faites un tour. Vous êtes journaliste, vous me suivez demain. Je vais vous amener dans des écoles ici à Niamey où vous allez voir que même les livres là pour lire et pour écrire, les livres mathématiques, les livres de CP, il n'y a pas. Parfois, ce sont les parents d'élèves qui cotisent en fonction de leurs moyens pour permettre à l'enseignant même d'avoir ces livres-là pour préparer sa leçon. Autre raison, autre argument que nous nous avancions, il faut qu'il y ait un environnement de qualité. Environnement de qualité, c'est-à-dire que les normes pédagogiques, il faut les respecter. Mais quand vous partez dans nos classes, à quoi on assiste Des effectifs pléthoriques. 120, 90. Pourtant, les normes ne dépassent pas. Est-ce que cela ne pas justement par faute de, souvent de, manque de. Non, j'arrive. mais quand les gens font les textes, il faut les respecter. C'est ça aussi la réalité. Vous faites les textes, les, textes sont là, il faut les appliquer. Maintenant, une fois que tout ça est respecté, nous pensons que on peut faire face à la qualité de l'éducation. Et puis, le Niger ne volit pas à vase clos. Eh, eh, eh, aujourd'hui, il y a des pays, quand, ils ont voulu améliorer la qualité de l'éducation, qu'est-ce qu'on a fait Tous les enseignants qui sont prêts à aller enseigner dans des zones reculées, c'était des motivations. On a essayé de les motiver en rehaussant leur salaire. On a la Côte d'Ivoire après la guerre, la zone Korogo. Comment on a fait pour, qu'on puisse affecter les enseignants De toute sorte aujourd'hui, les enseignants sont prêts à enseigner dans cette zone-là que d'aller même enseigner à Abidjan. Parce Nous, on a proposé ça. Hein? Parce qu'on motivait. Euh, on motivait les enseignants. Et quand vous partez dans cette zone-là, votre salaire, c'est le double même de ce que. Le, euh, au niveau du Rwanda, le problème s'est posé aussi. Là-bas, qu'est-ce qu'on a fait On a attendu pendant les vacances, on a pris tous les enseignants et dans toutes les régions, on a créé des centres de renforcement de capacité des enseignants. C'est pour dire que le Niger ne vote pas. Mais malheureusement, au Niger, les gens refusent d'aborder le problème avec responsabilité. Mais chaque fois, on veut passer par des stratagèmes et chaque fois, on veut incriminer les enseignants c'est ce qui fait aujourd'hui l'actualité. Vous dites que les enseignants sont ceci, les enseignants sont ça, sachant pertinemment que nos hommes politiques, c'est eux, c'est eux qui sont en train effectivement de contribuer à détruire l'école publique nigérienne. Parce que moi, je fais même maintenant la nuance entre le système éducatif et l'école publique. Nous allons revenir à vous. Monsieur Ouslemane, euh, vice-président de l'association des parents d'élèves, est-ce vrai, euh, <laughs> vous partagez son avis quand il dit que c'est les hommes politiques qui détruisent euh, l'éducation, la qualité de l'éducation euh, aujourd'hui Je l'ai dit auparavant en parlant de l'éveil de conscience. Nous sommes tous responsables à tous les niveaux. Nous avons notre part de responsabilité en tant que citoyens. Cette politisation, nous l'avons bien voulu, le peuple l'a voulu. Parce que si le peuple s'opposait à ces pratiques, il sortait au grand jour pour dire qu'il n'est pas d'accord avec telle pratique, Malheureusement, c'est ce que je dis, nous sommes complices de ce qui nous arrive. Aujourd'hui, quel que soit le système qui est là, les partisans de ce système font fi de tous les, mots qui assaillent le, peuple nigérien, surtout sa forme en particulier au, niveau de l'enseignement. Nous, avons, eh, laissé euh, le champ à ces problèmes affectés petit à petit, au point où aujourd'hui, c'est devenu un cancer généralisé qu'il est très difficile de guérir sauf si, je le dis, qu'il y ait un sursaut du peuple, une prise de conscience de tout le monde. Est-ce que vous pensez que les deux parties, les partis euh, en question doivent, parler, doivent se parler Les partis, elles sont obligées de se parler. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est quoi le problème Vous avez entendu La Côte d'Ivoire, si elle a réussi, le Rwanda, s'il a réussi, c'est l'argent qu'on a injecté. Donc l'État, aujourd'hui, sa meilleure façon de parler, c'est de faire bouger l'argent. Quand l'argent bouge, là, tout va se résoudre. Même quand la situation financière est, morose, elle est difficile. Ben, si la situation est, elle est morose, l'État a l'obligation, l'État a l'obligation d'utiliser les moyens par lesquels retrouver cet argent perdu là. Maintenant, c'est pourquoi j'ai dit nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables, c'est quoi C'est quand on sait réellement que la situation elle est là, il n'y a pas d'argent, on vient euh, s'asseoir sur la même table, les partenaires de l'éducation et l'État, on découvre par A plus B que réellement c'est un manque d'argent. Eux et nous, nous allons accepter tout ce que l'État a donné. 18 heures passées de 43 minutes, nous observons une courte pause. Le forum du studio Kalango se poursuit euh, sur la thématique la qualité de l'enseignement euh, du primaire euh, au Niger. Je rappelle que nous avions invité quatre personnes autour de cette table, dont deux seulement ont pu répondre. Les deux absents, c'est Ashana Hima, directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation primaire, et Taher Sabra, qui est le secrétaire général adjoint du bureau exécutif national du syndicat national des enseignants du Niger. Ils ne sont pas venus pour discuter autour de cette table. Dommage, dommage. Nous poursuivons ce forum. Cette fois-ci, il y a un point que nous n'avons pas évoqué. Euh, c'est, euh, on allait en parler, c'est la qualité de l'enseignement, la qualité euh, de l'enseignement, notamment celui lié aux enseignants. Et il vous souviendra que l'évaluation des enseignants est euh, une question qui divise les acteurs euh, de l'éducation, notamment le ministère de l'éducation primaire euh, qui veut inifier cette, cette, cette évaluation et les enseignants qui ne veulent pas du tout. À Dosso, par exemple, euh, euh, les, militants de cause Niger et Sinaseb étaient hier matin à la direction régionale de l'éducation base 1 de Dosso pour protester contre le refus du directeur général euh, régional de permettre à leurs camarades de retirer leurs dossiers déjà déposés. Le sitting que les enseignants voulaient organiser à l'intérieur du bâtiment de la direction régionale s'est finalement tenu à l'extérieur en raison d'un barrage de forces de l'ordre érigé en face. Et ce matin, ce mardi matin encore, les militants de cause Niger et Sinaseb ont voulu se regrouper au niveau du gouvernorat, mais ils ont été dispersés par les forces de l'ordre à coup de gaz lacrymogène. Le coordinateur du Sinaseb, Sedou Adamo, et six autres de ses camarades ont été même arrêtés avant d'être relâchés plus tard. La situation est calme pour l'instant. Cependant, cause Niger et Sinaseb, section de Dosso, ont déposé un préavis de grève de 48 heures pour les 2 et 3 mars 2017 et réclament le départ du directeur régional de l'enseignement primaire Tamou Kassoum. Alors, euh, je m'en vais vers vous. Vous venez de suivre avec nous donc ce petit euh, résumé. Weslaman euh, vice-président de l'association des parents d'élèves. Quelle est la position de votre association, notamment sur cette question d'évaluation des enseignants est-ce que vous pensez que c'est l'une des solutions euh, à envisager mm, vous me, laissez sidérer, parce qu'il euh, faut reconnaître que nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Euh, je parle sous le contrôle de ces deux. Je parle sous contrôle de ces deux Nigériens. La semaine passée, nous étions autour d'une table avec le ministre de l'enseignement primaire. Et je crois, de fond, à l'âge de 16h à 19h, nous avions débattu de cette question de l'évaluation. Mm-hmm. Et au sortir, nous nous croyons que tout avait été, la feuille de route a été comprise par les uns et les autres, et il ne reste qu'à la partie du ministère de la conditionner à travers certaines propositions même des, partenaires pour pouvoir comprendre cette situation et avancer. Si aujourd'hui nous nous réveillons avec ces remous, ça veut dire que vraiment, nous, parents d'élèves, euh, je peux dire qu'on est en train de jouer avec notre conscience. Nous ne devons pas être euh, une balle de tennis, ou tennis de table du moins. ou euh, qu'on nous cogne vers les enseignants, les enseignants nous cognent vers le ministère des Finances. Mais, quand même, c'est important. J'arrive, j'arrive. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons être honnêtes avec nous. J'ai refusé. Le mardi passé, vous avez appelé pour demander aux parents d'élèves d'être à la table ici pour le débat. Pourquoi vous refusez Nous avons refusé parce que en ce temps, nous n'avons pas toute la situation pour pouvoir apporter des éclaircissements, euh, pour avoir des arguments à en parler. Maintenant que vous l'avez Nous étions, j'ai dit, autour de la table. Nous pensions que tout était euh, fini, que nous devons attendre euh, au plus tard le mardi. Je parle sous leur contrôle, nous devons avoir la feuille, de, document pour que vraiment, et les enseignants, et l'État reviennent à de meilleurs sentiments par rapport à cette évaluation et faire avancer l'école. Si aujourd'hui nous sommes réveillés par ces, remous, ça veut dire que quelque part il y a un sous roche. Vous voulez de cette évaluation ou pas En clair L'évaluation, il suffit de, nous, jouons le rôle d'intermédiaire entre les structures partenaires de l'éducation, entre l'État et les partenaires qui sont les enseignants. Quand il y a problème, nous essayons de les rapprocher. Nous étions ensemble avec eux, ils se sont entendus, ils, ont compris le contenu de ce nouveau document qui devait être sorti. Nous attendons que ce document soit sous nos mains pour que nous puissions aller vers les partenaires de l'éducation qui sont les enseignants et comprendre leur position. Mais nous n'avons pas le document, donc nous ne pouvons pas juger présentement pour comprendre qu'est-ce qui est la réelle motivation de ce document. Alors, Moi, personnellement, en tout cas. Notre troisième invité vient de nous rejoindre. Il s'agit de Taher Sabra, secrétaire général adjoint du bureau exécutif national du syndicat national des enseignants du Niger, Ben Sinen. Bonsoir, Taher. Bonsoir. Vous venez de nous prendre en cours. Euh, je résume. Nous avons, nous avons euh, échangé donc, euh, sur les raisons fondamentales qui font qu'aujourd'hui, la qualité de l'enseignement est, de plus en plus faible et entre autres, l'État est indexé qui ne met pas assez de, de, moyens pour, pour mettre dans les conditions les enseignants. Il y a les, parents d'élèves qui sont indexés, euh, qui ne, qui ne, qui ne font plus ces suivis euh, qui jadis euh, est fait au niveau de l'école, au niveau euh, de la maison. Alors vous, on, parlait aussi de, cet aspect, l'évaluation donc des enseignants contractuels proposée par le ministère euh, de l'Éducation. Alors vous, en tant que syndicat des enseignants, justement, euh, qu'est-ce que vous pensez de, cette initiative Elle s'impose, non, au vu du fait que certains, beaucoup d'enseignants sont indexés de n'avoir pas le niveau requis pour, enseigner. Hein. Merci. Euh, je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, euh, je voudrais m'excuser auprès de l'équipe euh, de la radio Kalangou. Et des auditeurs. Et des auditeurs, j'allais continuer. J'allais dire d'abord vous qui êtes en face de moi et des auditeurs qui nous attendaient véritablement. pour revenir à ta question, vous savez, la qualité de l'éducation, c'est une problématique internationale. Et ce n'est pas une question, ça ne date pas d'aujourd'hui. Prenez Jomsien, c'est une vingtaine d'années. Prenez Dakar, prenez tout récemment Kampala. Prenez aussi nos différents programmes nationaux. Tous parlent de la qualité de l'éducation. Donc c'est une problématique internationale. Tout le monde est d'accord qu'il fallait faire quelque chose pour que la qualité puisse répondre aux besoins actuels de, nos États par rapport à la formation de, la population. Voyez-vous Donc, euh, ici, euh, si vous voyez le PCF, le PCF a un grand pan très important. C'est qui parle... PCF le PCF, c'est le programme euh, sectoriel de formation, de, l'éducation et des formations. C'est un programme 2014, euh, je crois, 2024, et, qui devait être mis en œuvre. Effectivement, à partir de ce PCF-là, euh, le ministère de l'Éducation nationale a établi ce qu'ils appellent une feuille de route qualité. Et la feuille de route qualité est composée de plusieurs axes, environ six axes qui composaient ce projet de qualité de l'éducation. Donc, et parmi ces axes, il y avait et maintenant l'évaluation des enseignants. Maintenant, le problème auquel on était, tous d'accord, hein, je voudrais préciser que les syndicats n'ont jamais été contre l'évaluation. Les syndicats n'ont jamais été contre la vérification des faux diplômes. Les syndicats n'ont jamais été contre toute autre mesure qui tend à relever la qualité au niveau du système éducatif. Il faut que les gens se le comprennent. Ils sont contre quoi dans cette évaluation Très bien on nous a dit évaluation. D'abord, on n'a pas été associé. On fait semblant de nous associer, on nous appelle, on nous informe. Et dès qu'on nous enferme, sans autre document de base, on nous dit qu'on est dedans. On n'est pas dedans, on est informé qu'il y a une feuille de route. Le parent de l'élève vient de le dire, une feuille de route qu'on n'a pas jusqu'à présent eue, parce que nous, on était avec le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement primaire ce matin, jusqu'à vers 13h. Jusqu'à présent, la feuille de route reste indisponible de façon officielle pour nous. Voyez-vous, on ne pouvait pas accéder à ça. Donc, euh, <clears throat> quand elle a dit, il va évaluer les enseignants, on lui avait dit, mais attends, monsieur le ministre, vous ne nous avez pas associés dans la méthodologie. Parce qu'il s'agit de la question de la méthodologie. On ne peut pas prendre dix 000 enseignants, on ne peut pas prendre 72 000 enseignants et vouloir les évaluer, évaluer leurs compétences, s'ils sont aptes à être des bons enseignants ou des moyens enseignants, etc. et autres, sans pour autant informer et établir un document de méthodologie. Nous avons vu en Guinée, ils ont mis plus d'un an en train de préparer cette évaluation. Ce n'est pas en deux semaines qu'on va venir préparer l'évaluation au Niger quand même. Donc, on, était, on a dit, monsieur le ministre, l'évaluation. L'évaluation, à ce que nous, nous sachions, c'est normal, c'est légal. Et de le statut de la fonction publique, de par nos statut particuliers du, personnel de l'éducation, on peut évaluer un, un agent. Mais voilà les voies et moyens qu'on suit pour pouvoir évaluer les enseignants. Alors qu'il se trouve aujourd'hui, les instruments de cette évaluation prévue par le statut de la fonction publique ne sont pas viables, ne sont pas préparés, ne sont pas adoptés. Donc, on ne peut pas, de façon légale, hein, évaluer aujourd'hui un enseignant et l'amener sur table pour lui donner des épreuves. Pour on tient. La question de la légalité, elle est très importante. Nous savions que ça urge le problème de la qualité de l'éducation. Nous sommes conscients qu'il faut trouver une solution, mais pas à n'importe quel prix mais pas même de l'illégalité. On a dit c'est une question de consensus. Qu'on vienne faire un consensus pour pouvoir relever, parce que la qualité, on s'en soucie, nous étant syndicat, parce que nous souffrons. Comment vous voulez être évalué Nous avions fait deux propositions et bientôt nous allons faire une troisième proposition. Nous avions écrit une lettre en premier le vendredi à M. le M. de l'enseignement primaire, une lettre dans laquelle nous avons étayé toutes les anomalies qui minent leur méthodologie, leur soi-disant méthodologie, parce que jusqu'à présent, il n'y a aucun document de méthodologie pour pouvoir mener cette évaluation, mais on a vu qu'il avançait à vue. Quoi. Alors, rapidement, quelles sont ces, propositions Nous lui avions dit, il n'est pas question d'amener les enseignants comme des élèves, parce qu'aucun texte ne les prévoit, pour leur donner des épreuves de français et de mathématiques. Mais par contre, il y a un arsenal d'évaluation qui est assez huilé et assez efficace, c'est l'encadrement de proximité. C'est-à-dire l'encadrement des conseils pédagogiques et des inspecteurs du primaire. Ils sont là quand, tout le niveau a baissé. Ils sont là effectivement, mais avec quels moyens Moi, je vous assure, quand j'avais appris que il y a des inspections, des très grandes inspections qui n'ont même pas de véhicules, tu vas voir aujourd'hui, on a dit on a plus de 500 et quelques conseillers sur le terrain. Demande, il y a combien de motos pour ces conseils pédagogiques pour pouvoir faire le travail Ils se débrouillent sur leurs motos personnelles, leurs Royal, leurs Lifan, leurs Kiko, pour pouvoir encadrer les enseignants. La deuxième proposition, c'était quoi moyen. La proposition, la seule, c'était encadrer. Encadrer les enseignants, leur donner une note, parce que je, je suis sûr, parce que je parle en tant que conseil pédagogique qui a mm. exercé, je sais qu'un bon conseil pédagogique, un bon inspecteur primaire pouvait après avoir euh, observé un enseignant en train de présenter une leçon, pouvait euh, déterminer sa capacité, sa performance en termes de pédagogie. Il pouvait même relever après un entretien, après un entretien, la capacité de cet enseignant-là, ses compétences en français, langue et même en mathématiques. Il parle du contenu du programme. Le contenu du programme, ce n'est pas à travers des épreuves qu'on montre qu'on l'a compris. Non, c'est quand un enseignant donne un cours, il donne un cours sur une thématique bien donnée, un chapitre bien donné, on l'observe, on peut revenir avec le programme de l'enseignement pour lui poser un certain nombre de questions auxquelles il va nous, aller répondre. Il, ne nous reste que trois minutes pour finir cette émission parce que vous êtes venu, vous n'aurez pas le temps de tout dire. Ça, sûr, sûr. Je donne la parole à Al-Mustafa Moussa, représentant de l'association Éducation pour tous. Al-Mustafa, quelle est rapidement la position de, votre organisation Qu'est-ce que vous, vous, vous vous reprochez à cette évaluation eh bon, en tant qu'ASOEPT, il faut le dire, ASSO était e effectivement à la rencontre. Mais là, la position d'ASSO était e très claire parce que eh, le ministre avait dit que c'est une rencontre d'information. Et quand il a développé toutes ses idées, ASSO effectivement avait demandé eh, la feuille de route pour pouvoir réunir ses partenaires qui sont les syndicats pour avoir leur position. Mais il faut d'abord vraiment qu'on arrête de stigmatiser les enseignants par rapport à cette évaluation-là. Euh, le syndicaliste l'a dit, ils ne sont pas contre l'évaluation et ils ont été très clairs. Malheureusement, lorsque je pense que le ministère a, a raté sa sortie, vous avez vu quand le ministre était sorti, quand il voulait expliquer la déliquescence du système éducatif, d'entrée de jeu, on s'est pris aux enseignants. On a stigmatisé les enseignants. On a traité les enseignants de tout. Et à partir de là, vous avez eu les échanges qu'il y a eu entre les syndicats d'enseignants et, le ministère. Je pense qu'à partir de là-bas, on a raté eh, la façon de faire. Et aujourd'hui, les syndicats ont proposé, moi je pense, si le ministère est soucieux du devenir de l'école, c'est d'amener, ils n'ont qu'à s'asseoir véritablement autour d'une table pour voir la démarche à suivre. Parce que moi, j'ai lu la, circulaire du ministre. Au-delà de son aspect illégal, il y a même un caractère répressif, discriminatoire reste... autour Je donne de, la parole de, de, de, cette circulaire. Non. Merci, Weslaman. Il nous, reste, nous reste qu'une minute, donc on va laisser réagir Weslaman euh, Nasratan, qui est vice-président de l'association des parents d'élèves quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui en les élèves qui sont vos enfants. Que faire pour, sortir de, Merci. Vous rejoignez le terme de mustafa à travers la Côte d'Ivoire. Nous sommes victimes de ces éléphants. Les éléphants que sont nos enfants nous disent de penser à eux parce qu'ils sont le, le futur du Niger. Il ne faudrait pas que ces enfants soient l'otage je l'ai dit la dernière fois, d'un jonglage de mots. Parce qu'il suffit de, de, voir l'air circulaire où tout ce qui est proposé, c'est toujours le français qui nous met en difficulté par rapport à notre euh, compréhension des choses. C'est pourquoi je dis que chacun mette de l'eau dans son verre, le vin, et que l'État comprenne que la responsabilité lui revient de faire marcher les choses. C'est la fin du forum de ce soir. Nous étions avec euh, Taher Sabra, secrétaire général du bureau exécutif euh, d'ISMEN, Weslaman Nastrasan, vice-président de l'association des parents d'élèves, Al-Mustafa Moussa, représentant de l'association EPT. Nous aimerions, nous aurions, nous avons aimé avoir avec nous le point de vue du gouvernement à travers donc euh, Ashana Hima qui était absent malheureusement. Rendez-vous demain même heure, même fréquence pour une nouvelle édition qui sera consacrée à la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. Bonsoir.